Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 20 septembre 2024. Thème. Vous êtes en sécurité. Thèse lecture. Ésaïe, chapitre 54, le verset 14 jusqu'au verset 17. Isaïe chapitre 54, le verset 14 jusqu'au verset 17. Lisons la Bible ensemble. 54, le verset 14 à 17. Tu seras affermi par la justice, banni l'iniquité car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Selon forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffre le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi la destructeur ou le destructeur pour le briser, pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute angle, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Le verset clé, c'est le verset 17 qui dit, Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le système italien israélien de défense anti-aérienne. La courte portée Iran Dome a réussi à 96% à l'intercepter ou bien à intercepter les roquettes tirées depuis Gaza au cours des récents affrontements contre, entre Israël et les Palestiniens a déclaré l'armée, déployée par l'entreprise publique Rafael d'Advance Defense System avec le soutien des États-Unis pour contrer les roquettes tirées depuis le Liban qui ont touché les villes israéliennes pendant la guerre de 2006 contre les Hezbollah depuis les Palestiniens de la grande ou bien de la bande de Gaza, le système aurait sauvé de nombreuses vies. Il est en service depuis 2011, selon un rapport publié par le site web de Reuters. Notre test d'aujourd'hui nous réintègre l'assurance de la protection de notre, test, de notre Dieu sur son peuple. Esaïe a prophétisé avec une grande précision sa voix apaise les craintes personnelles, familiales et nationales. Dans les quelques versets que nous examinerons aujourd'hui, la nation d'Israël est assurée d'être délivrée et protégée contre l'agression des nations environnantes. Les panophilie d'armes dirigé contre eux ne fera aucun mal, car Dieu déploie son bouclier céleste au missiles sur toute la nation. Notre monde devait de plus en plus, elle devient de plus en plus dangereux. Le danger se profile à l'horizon avec des craintes, des doutes, mais de tout part les stocks d'armes nucléaires n'ont pas contribué à la sécurité mondiale comme le souhaitaient les nations qui l'ont acquis. Nous attendons parler de destruction mutuelle assurée, une stratégie militaire et une politique de sécurité nationale qui postule que l'utilisation à grande échelle d'armes nucléaires en offensive comme une comme en défense entraînera l'anéantissement ou bien l'anéantissement complet de l'offenseur et du défenseur. Une telle nouvelle n'est pas de nature à réjouir le cœur. Pour les croyants en Christ, il n'y a lieu, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Pourquoi Parce que le Ion Dome, le Dieu est plus fiable. Qui que Dieu développé, bien que ce que ceux développés par n'importe quelle nation, aussi avancée soit-elle. Dieu peut protéger contre des forces invisibles envoyées par Satan et ses acolytes. Il n'est pas nécessaire de chercher une protection ailleurs, en dehors de Dieu. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille pas. Et aucune arme forgée contre toi n'aura d'effet. Amen. Pensée du jour. La bannière de Dieu sur nous est notre défense et notre délivrance. La bannière de Dieu sur nous est notre défense et notre délivrance. Amen. La Bible en un nom. Nombre chapitre 31 jusqu'au chapitre 32. Nombre chapitre 31 jusqu'au chapitre 32. Amen.